mardi 12 décembre 2023. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou que vous écoutez à travers nos radios partenaires. Je suis Salamatou Kadri et à mes côtés Abiba Ahmed. Bonjour Abiba prête pour ce matin j'espère Bonjour Salamatou, je suis d'attaque. Super, alors c'est parti. Comme toujours, nous allons offrir à nos fidèles auditeurs un programme bien garni, comme à l'accoutumée, sur le flash d'informations qui ouvre le bal. Il y aura la chronique Loti proposée par le desk femme du studio Kalangou, sans oublier le sport et de la culture linguistique en Hausa. La rubrique hebdomadaire du mardi est consacrée aux questions de santé et aujourd'hui nous allons parler de l'hygiène intime chez la femme qui lorsqu'elle fait défaut pourrait conduire à des infections. Ce n'est pas fini, nous ferons un tour à Balayara dans la partie éco des régions. Mais avant, nous vous proposons l'entretien avec le directeur régional de l'éducation nationale de Tawa à la personne de Abdou Maman Namadi. Avec lui, nous allons parler de la situation de l'éducation dans la région de Tawa. Le Niger sur Kalango, c'est aussi et surtout de la musique 100% nigériane. Consommons nigérien et c'est parti. Tout de suite, voici les flèches présentés par Nafissa Adamou. Bonjour Nafissa. Bonjour Habiba, bonjour Salamatou. Bonjour Nafa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Chani, à l'occasion de la fête nationale du Burkina Faso commémorée hier, a déclaré, je cite, que cet anniversaire intervient après le lancement de l'Alliance des États du Sahel, la AES, et l'éclatante victoire parmi tant d'autres à Djibo des forces armées burkinabées sur les forces du mal constitue une étape décisive dans la reconquête totale de la souveraineté de notre pays respectif. Fin de citation. La 28e conférence de l'ONU sur le changement climatique à Dubaï ne terminera pas à l'heure qu'avait fixé son président émirati, le sultan Jabir c'est ce que rapportent les médias internationaux. Le sultan avait annoncé qu'il souhaitait une clôture ordonnée de la conférence ce mardi 12 décembre à 11h au plus tard. Le calendrier fixé par l'ONU indique que mardi est le dernier jour de la COP28 sans préciser d'horreur. Un nouveau projet d'accord est attendu dans la journée par les délégués. Enfin, le cadre des acteurs pour le développement du Niger, une organisation de la société civile a organisé ce matin un sitting devant la représentation de l'UMOA à Niamey. L'OSC exige la restitution intégrale des fonds du Niger gelés par l'UMOA à la BCAO. Elle a exigé également la levée des sanctions monétaires, notamment les transactions vers et sur le Niger. C'est la fin de ce flash d'information. Merci Nafisa. Nous t'aurions proposé de rester danser avec nous, mais tu dois certainement avoir des tonnes de choses à faire, alors on ne te retient pas. Merci. Merci à vous Chers auditeurs, comme je l'annonçais tantôt, notre invité du jour est Abdou Maman Namadi, directeur régional de l'éducation nationale de Tawa. Nos essences s'articuleront autour de la situation de l'éducation dans la région. Exactement, mais Habiba, nous allons faire danser nous ceux qui nous écoutent avec Tazidert de Bambino. Bon, la, la prononciation n'est pas du tout garantie, hein, mais on va kiffer alors, on kiffe. à travers ce titre, Tazi Dert appelle à l'unité nationale. et rappelle à tous les Nigériens de cultiver la patience, comme le titre l'indique à langue tamashek. Prenons en compte les paroles de cette chanson et apprécions la mélodie de la prestigieuse guitare de la star nigérienne Grammy Award Bambino. Bougeons un peu et dansons un peu. retour au studio pour écouter la première partie de notre entretien avec Abdou Maman Namadi, directeur régional de l'éducation nationale de Tawa, sur la situation scolaire dans la région de Tawa, une interview qu'il m'a accordée lors d'un reportage à Tawa. La rentrée a eu lieu et sur le terrain. On peut considérer que la rentrée est effective parce que il y a de cela deux semaines, nous étions sur le terrain et on a sillonné toute la région. Globalement, on peut considérer que la rentrée est effective au niveau de la région de Tawa et que les activités académiques se déroulent normalement. Et puis, l'école, c'est comme une entreprise et c'est même plus qu'une entreprise. Comme vous le savez, une entreprise qui ne fait pas de profit, qui ne fait pas de bénéfice, elle est appelée à fermer. Lorsque dans le moule de l'école, on met une centaine d'enfants, Normalement, c'est tous les sangs qui doivent sortir. Il ne doit pas avoir normalement de déperdition. Concrètement, quelles sont les avancées enregistrées Bon, les avancées enregistrées, elles sont là. Avec les résultats, on a vraiment progressé, même lorsque ces résultats sont insuffisants. Et ces résultats, ils sont dus, en tout cas, avec euh, l'appui et l'engagement de l'État avec euh, la volonté euh, des autorités administratives, avec l'appui des enseignants en tête, parce que c'est eux qui ont fait le plus gros du, travail. C'est le lieu de, de, leur rendre un hommage euh, bien mérité. Globalement, en tout cas, les résultats sont là, ils valent ce qu'ils valent. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez Bon, les difficultés euh, que nous rencontrons, elles sont de plusieurs ordres. Hein. il y a beaucoup de défis. D'ailleurs, euh, il n'y a que des défis. Des défis par rapport à la qualité, des défis par rapport à l'accès, des défis par rapport aux infrastructures, des défis par rapport au mobilier. Par exemple, lorsque nous prenons le défi de la qualité, toutes les évaluations sont là pour corroborer ce que je suis en train de dire. La plupart de nos élèves ne savent pas lire, ne savent pas écrire, ne savent pas calculer, ne savent pas compter, ne savent pas résoudre des situations problèmes. Et là, c'est un véritable défi, c'est le principal défi auquel on doit tous s'attaquer pour que désormais notre école forme des apprenants qui savent lire, qui savent écrire, qui savent calculer, et qui savent résoudre des situations problèmes. Par rapport à l'accès, quand nous prenons le cas des nouveaux entrants, par exemple en 2022-2023, rien que pour les élèves du CI, c'est ça que nous appelons les nouveaux entrants au CI, nous avons recruté en 2021-2022, nous avons recruté 128 320 élèves. Je disais que les difficultés que nous rencontrons sont de plusieurs ordres. Il y a des défis par rapport au respect du temps scolaire. Comme vous le savez, la qualité, c'est tout simplement des apprenants, des élèves qui savent lire, qui savent écrire, qui savent compter, qui savent calculer et qui savent résoudre des situations problèmes. C'est ça la qualité. En dehors de ça, il n'y a rien. Or, quand on regarde toutes les évaluations nationales et les évaluations externes, on constate que, en tout cas, le système n'est pas performant. On constate que beaucoup d'apprenants ne savent pas lire. Qu'est-ce qui explique ces situations Il y a beaucoup de paramètres qui l'expliquent. Le plus souvent, c'est le non-respect du temps scolaire. Avec le non-respect du temps scolaire, eh bien, les programmes ne sont toujours pas exécutés à 100%. Avec les grèves des élèves au niveau du secondaire, avec les grèves des enseignants, avec des rentrées tardives et des vacances anticipées toutes ces conditions-là ne permettent pas de réaliser, d'exécuter les programmes d'études à 100%. Si on jette un regard euh, en arrière, on va constater que depuis 1990, quand le système éducatif a branché avec les débrayages, on n'a jamais exécuté à 100% un programme d'études. Par exemple, si nous prenons le cas du primaire, pour exécuter un programme d'études à 100%, on a besoin de 960 heures. 960 heures, vous convenez avec moi, c'est au moins 7 mois de cours sans interruption. Or, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir ces 7 mois de cours sans interruption pour que le programme soit exécuté à 100%. Et toujours par rapport à la qualité, nous avons beaucoup de déperditions au niveau des entrants de la sixième. Par exemple, en octobre 2022, en sixième, on avait envoyé 44 441 élèves. À la fin de l'année, en juin passé, quand on a tenu la commission des passages, redoublement et exclusion, sur les 44 441 élèves, ceux qui sont admis en classe supérieure, ceux qui vont faire la cinquième ou qui font la cinquième cette année, ils sont au nombre de 18 132, soit 40%. Les redoublants, sont au nombre de 12 247, soit 27%. Et les exclus sont au nombre de 14 666, soit 33%. Voyez-vous, il y a beaucoup de problèmes, il y a péril en la demeure. Chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien. Mais avant de suivre la deuxième partie, nous allons un peu souffler et dégourdir les jambes avec le groupe Yana. Il s'agit bien sûr de Nana Ayubanya et de Yakvi. Il nous vient avec le titre et Bon, on y va. musical qui fait de la musique traditionnelle. Il est composé des deux artistes Yakbe et Nana Yubanya. Dans ce titre, ça le groupe Yana chante pour les femmes qui sont courtisées par les hommes déjà mariés. c'était Satare de Anyubanya. Dans la suite de notre entretien, le directeur de l'éducation nationale de Tawa nous parle des difficultés rencontrées ces dernières années qui freinent la bonne marche de l'école. Écoutons. Quand on aborde la question de l'accès, chaque année, nous recrutons beaucoup d'élèves. Par exemple, en 2022-2023, les nouveaux entrants du CI que nous avons recrutés sont au nombre de 136 962, dont 60 305 filles. Si on prend un ratio de 50 élèves par classe et par enseignant, cela crée des nouveaux besoins en enseignants, et des nouveaux besoins en salle de classe, des nouveaux besoins en fourniture, des nouveaux besoins en mobilier, des nouveaux besoins en manuel et des nouveaux besoins en guide. Par exemple, en enseignant, ça crée un nouveau besoin de 2739 enseignants. Ça fait 2739 nouvelles classes. Voyez-vous, ce n'est pas facile. Et pour les classes sous paillote nous avons à peu près 48% de nos salles de classe qui sont sous paillote Et pratiquement, on a 7018 classes en matériaux précaires. Or, le plus souvent, à la rentrée, ce n'est pas facile d'avoir toutes ces classes-là en place. Le plus souvent, ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre deux semaines, ça peut prendre trois semaines, ça peut prendre un mois. Il y a même des endroits où ça peut aller au-delà d'un mois. Donc tout ça, ça agit sur le temps scolaire. Et à la fin euh, de l'année, si vous voulez, dès qu'il y a les premières pluies, généralement chez nous, les premières pluies tombent en mai. Dans ce genre de classe, dès qu'il y a les premières pluies, c'est déjà la fin de l'année. Voyez-vous, c'est beaucoup de difficultés. Quelles sont les solutions que vous envisagez pour résoudre ces problèmes Pour résoudre ces problèmes, il faut d'abord agir sur le temps scolaire. Il faudra que le temps scolaire soit respecté par tous les acteurs du système, par les élèves eux-mêmes. Il faut qu'il soit aussi respecté par les enseignants. Il faut aussi agir sur les enseignants. Les enseignants qui sont les facteurs ou le facteur le plus déterminant de l'acte d'enseignement-apprentissage. Il faut continuer à accompagner les enseignants, il faut continuer à former les enseignants, il faut continuer à assurer aux enseignants un accompagnement de proximité. Maintenant, par rapport aux classes sous payotte, il y a des efforts considérables qui sont en train d'être faits par l'État, qui sont en train d'être faits par les partenaires. Par exemple, en 2022-2023, l'État et ses partenaires ont construit plus de 1000 classes je pense que c'est extrêmement important. Si la tendance se maintient, si cela se poursuit, bientôt, en tout cas, on ne va plus parler de classe en matériaux précaires. Ça va devenir un lointain souvenir, même si par ailleurs, le nombre d'inscrits au CI chaque année augmente. C'était Abdou Maman Namadi, le drain de Tawa, au micro de Habiba Ahmed. On revient juste après ça. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 23 minutes. Si vous ne rejoignez, si vous êtes à l'écoute du Niger sur Kalangou. À présent, parlons santé. Eh oui, Habiba, nous allons parler d'hygiène intime, particulièrement chez la femme. Nombreuses sont celles qui sont victimes d'infections que les spécialistes appellent infections génitales basses. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces maladies Comment les prévenir Réponse avec Thomas Odette, sage-femme responsable de la maternité Tassig de Tawa. Me ake nufi da infection genital bas? Eh abinda ake nufi da infection genital bas ciwon sanyi kenan. Ciwon sanyi wanda yake damun mata yawanci shi ma yana kawo su nan likita ta musu yi consulte su zo su diba. Shi dai infection ana ɗaukan shi ta hanyar jima'i kuma ta hanyar rashin tsafta ita ya mace dama ya kamata ta tsaftace jikinta musamman ma inda take mace saboda kayayyakin da kike aiki da su ya kamata a tsaftace ne kulliyomi to sai ki ga wasu ba su gane ba ko ko wurin kama ruwa ma haka ba su iya kama ruwa ba wasu matan kuma kin ga mace tana son ado tana so a ga hortunan ta tsaf ga su ta gyara su ta sha halalle horatuna suna daga cikin na farko wanda su ma suke sama mace wannan infection ki saboda me saboda ba mu wanke kasan furatuna to sai gani kwayoyin cuta sun tsaya a ciki yawancin mata kuma sai su gani wai ya cancanta su sa yatsotsin su haccan cikin gaban su suna wankowa to shi ba a san haka nan mace gabanta ne kaɗai kamata ta ringa wankewa amma ta bar sa yatsotsi haccan ciki kulliyomi in kin yi hutsari ki ki kama ruwa kina sa yatsotsi ko ku ki wanke bayan kin yi jima'i ki zo ki sa yatsotsi haccan ciki ba a san haka nan saboda faratuna suna cike da kwayoyin cuta wanda za su shiga cikin gabanta to abubuwan da ake gane ya mace ta fara infection wace ta fara wannan cutar ta sanyi menene take gani ta ga wasu ruwa horhoru suna fitowa daga gabanta kuma yawanci kaikai gabanta kaikai ta yi ta susa ta ta susa har tana ji kanta to kenan wa'annan in ta fara ganin alamomin nan ta fara infection kenan dole ta zo maza maza a zo a rubuta mata maganin ta wanda za ta samu kanta ta samu ta hita to ya ne ake yin prevention kinta eh kariya dai yanda za a yi muhimmanci dai daga tsafta ne za a cewa gaskiya daga tsafta ne ya kamata mace ta tsaftace gabanta da kyau yanda na ce ba a tutsaya tsotsi can cikin inda ake matanci kuma kayan da take sa a ƙasa su wandunan ta su jupon kita su waye ne a rana ake shanya su ba cikin ɗaki ba saboda zahir rana in yana taɓa yana kashe ƙwayoyin cuta to in mace ta shige ta ciwon nan ya ne ake treatment kinta in ta zo wurin mu saboda kun san ƙwayoyin cuta kala kala ne to kallan da kenan mun san maganin da za mu rubutawa to yawanci dai kwarkwarin ruwan nan ne suke yawancin zubdawa to kwayoyin da suke sa shi ana ce musu candida albicans da turanci to kamar in ta zo da su akwai magani wanda muke rubuta mata na matsawa akwai na sha kuma akwai na shafawa wanda za ta shafa a gabanta to in dai ta mai da hankali dai za ka gani ta rabu da ciwon nan a cikin kalilan kwanan irin wannan cuta in ta samu mace a kaɗan a kaɗan shine ta yi kwana bakwai tana aiki da magani in ba haka na ba yawanci sati biyu ne duka dai suke kumsa da kwayoyin da za ta haɗiya da wanda za a sa mata ta matse gabanta kuma akwai wanda za ta shafawa gabanta da saboda ƙaiƙan nan shi rage kuma in ta zo mu muna mata tambayoyi mu ga kamar yaya take yi cikin mahallincinta da cikin rayuwata. ta kulliyomi iske mata suna zuwa suna bayyana wannan ciwon e kin san ita search farm ai karatun da ta yi kenan kuma alhamdulillahi da mace ce kamar sauran mata kenan in ta zo babu wani ɗarmin kai saboda ta san sirrinta arhe ne yake wato in ta zo ta diba likita ba zuwa za a yi a ce wacce tana da kaza ko tana da kaza ba a'a ta san asirce ne kuma hallo gaskiya alhamdulillahi suna jin daɗin aikin da ake musu to yanzu wanga cuta in mutum bai yi maganin ta ba menene complication kin da za ta iya kawowa kwarai ko akwai matsala in mace tana infection kin nan kulliyomi ko ko ta zo in an bata magani ya barta kwana biyu kuma ta sake dawa saboda infection kin nan ba mace kadai ake taimaka ma ba har da mijinta in mace ce mai aure ya kamata mijinta shi ma ya sha magani kuma in tana da abokan zama wato kishiyoyinta su ma ya kamata a yi musu saboda mace tana iya laƙa ma namiji namiji yana iya laƙa ma mace kenan kulliyomi cutar na yawo kenan cikin gidansu in ne mutum guda kika yi ma kariya ya kamata duka iyali ya kamata ki ma magani to yanzu kamar mace in dai kulliyomi tana yin irin su yana hana aihuwa kwarai ma saboda tana cinye hannuwan uterus wato ma'aifa to cikin ma'aifa ne daman ko ai dan da yake fara girma in ta sani ba kuma ba mata magani ba wata take gani ta fasa aihuwa ko ta ta aihuwa guda ya zo ta gani kuma yanzu ba ta aihuwa to infection kin shi ma shi na sa shi ɗaya kenan na biyu kuma tana mai da mace baya ko wurin jama'i ma bata iya jima'i wasu ba su iya jima'i akwai ciwo don saboda infection Merci Abiba pour la réalisation de cet entretien qui, j'espère, sera utile pour beaucoup d'entre nous. Chers auditeurs, nous allons encore danser au rythme de la guitare, cette fois-ci avec Hamid et <laughs> Avec il s'est perfectionné. Et oui, il s'est perfectionné petit à petit grâce au talent de ses aînés. Et aujourd'hui, il est l'un des guitaristes les plus en vogue à Agadez. Il chante pour la culture touareg de son enfance, de l'amour, de l'amitié et aussi le bon sens pour vivre en symbiose. dédicace à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent de l'autre côté d'Agadez. On ne vous a pas oublié, on y va. Et Kaol, les grands guitaristes de la jeunesse d'Agadez. À présent, direction Balayara pour l'écho des régions. Et eh oui, Habiba, est-ce que tu sais que les pièces de 500 francs ne sont plus acceptées chez certaines personnes dans la commune rurale de Taxar, notamment dans les marchés Ah bon, Salamatou, pourquoi Commerçants et clients s'expliquent le pourquoi de leur refus dans ce reportage signé Seydou Abdou Widitan. labai kan wogan na fanda noro kan signe sefa kan go bank bero kan signe bese a wucire isintin ku goida zangu ga koza ansar ji zambar hinka di hinza december hando a jirboran kicin tacha amma zango ne a wata sandai bore da kirgamara nango tagazar kominora irin ma hangan kuma fatauci zufuwan kan girfa da. wallahi zango ko ayo jirban da fa ita zambar wane wale wanji kanta ba an da gano hunkun ba an da bor fo gano jirenin no zango wallahi a da kadda nike ji ko ta kanno shi ba amma furbe ne amma inda kirari bari man ka daga ba ita ji fuldin no ba sai wallahi ganin shi bara ce no dai kirga to ne kake ima gona safara din kaje zambar shi gangan ka to zambar a gona sai imani ishanta zambar sai mun shi kwalin mai kane ne ko banki ayo dai fa gine ne ko no wallahi zango ko dirgo guduwaya bore kan da irisa amma din no bora sai bora bara kaga dai ni gaji nai ni ganta bora sai amma no din no bora sai bora bara dai zango kizu din na goni sai wallahi ni gwa wa hare to lalle wo kan da guye bayan ga bor zango no ai gata dai ni tai wonye mene kunna no da gu ngai bo mai konna gunye so mo da ga sai ne in kun dai kunna konna nyame maji kunna konna nyame gata dan gamar kirki da wai boy borai ki borai kan tarka nuro ifo seno isata to ayo zongo kan kan sai sibara dai go tenere dai go nzo to yandal guyan din kangara kula han fo bar mai ga dal guno en no gano wori sare nay wo ai sibara ai ma da yaki nur no kan da kan borse borsidiya ko irin mo hingano mbo boda dal guno ya da kopta no da go borse ba akan borse borgi dia amma mu da zongo ko kamo no da kan borse ta borse dia zango go kamo gonda te sibara bur ko ndai ise kawai borari mu kan kabun wadini no lai ngai sibara satta kan ga go da inna da mize kai kina kan signi a NDDH a gin funa nango balle ar kan signi salu dan dakoi a fa hamani bore se kan be se awo hinno gonda fonda kan hin kun wurdan wala maka ya dinga bore fam kan kiti fonda en gono boy kul kan ne zongo asata asi fonda hin hinno gondo fondo amne zongo isata ngamo fonda ki ga gana iga dan tilera ga lakkal can ne bore se lokaci yakin me nuru ya yakine a goyo ga kai dade imana ci fondo kunno si bora se kan gane asata do bora ne asata hine do gono bora hin hin kondo bora police do ne mi ci wala hankan Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, poursuivons le rendez-vous du Niger sur Kalangou avec d'espoir. Hassimi Gourouza est dans la place. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour euh, Sali, bonjour Abiba. Bonjour. Gourouza, nous allons à la découverte du club de taekwondo Sabongari. Qu'est-ce qui fait leur particularité Oui, euh, Salamot, il faut noter que c'est un club qui fait la fierté du taekwondo nigérien. Créé en décembre 2018, Sabongari Taekwondo Club est dirigé par deux maîtres. Awali Seydou Danzaki, ceinture tournoi deuxième dan, et maître Moussa Adamou, premier dan. Le club Sabongari compte 110 disciples, mais qui augmente son effectif pendant les vacances. Le club participe aux compétitions organisées par la Fédération nigérienne de taekwondo. Il y a deux ans, le club a remporté la première place lors d'un tournoi organisé par la commune Niamey 1 troisième place au TGV de Taekwondo l'année dernière. Et cette année, le club Sabongari a remporté la première place du championnat régional de Taekwondo à Niamey. Pour vous dire la prouesse de cette équipe, le club a 130 médailles remportées lors des compétitions. Actuellement, deux athlètes filles se préparent pour les championnats du monde juniors et les le Maroc a abrité la cérémonie CAF Award édition 2023, n'est-ce pas Oui, Abiba, c'est un événement qui célèbre l'excellence du football africain. Ça s'est déroulé hier à Marrakech, au Maroc. Pour le compte de la joueuse de l'année, a été remportée par la Nigériane Assisat Oussala ah, voilà. <laughs> voilà six fois qu'elle a remporté euh, ce titre. Mhm. Côté homme également, c'est le Nigérian Victor Ossian euh, qui est désigné meilleur joueur de l'année. Et pour le titre euh, de la jeune joueuse de l'année, il revient à la Marocaine Nesrine Lichon Meilleur gardien de but, côté homme, revient à Yassine Bounou du Maroc. Et celui des dames revient voilà, la Nigériane euh, Shemka Ndouzi, Oui, et le club de l'année, j'ai pas fini, c'est la moto. Le club de l'année est pour Al-Ali de l'Égypte. Et côté monsieur et côté dame, le titre a été occupé par Mamelody Sanders d'Afrique du Sud. pour dire que les Nigérians ils ont, tellement cartonné. Et Grouza, parlons des équipes nationales et de leurs entraîneurs aussi. Oui, le Maroc décroche le titre de l'équipe nationale de l'année côté homme et le Nigeria côté dame. Et pour les entraîneurs, c'est celui du Maroc, Walid Regragui, qui a été le coach de l'année. Côté dame, c'est la Sud-Africaine Désirée Ellis qui a été désignée entraîneur de l'année de l'équipe de l'Afrique du Sud. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Grouza. À bientôt. Merci beaucoup. Direction la capitale de l'Aïr, Agadez, plus précisément au village artisanal. Et oui, chers auditeurs, allons découvrir le travail d'artisanat. Notre reporter Habibou Garba avait rendez-vous avec un jeune artisan du nom de Mahmoud Abdoulaye. Mahmoud Abdoulaye a commencé cette activité depuis qu'il était tout jeune. Voici son portrait avec Habibou Garba. a agona goro ngon tapi bula bon go kambu warora mahamudu gona guris fo karkar majkala korpa ingano agona gete goy wayne wo antubuno baboga abdullahi no dini agdes village artisanal do delaga hunkuna goyo dai tubarikalla mahamudu murado gona gete ara zama no kan nan ba a narugu koi labo ganda bo bara haifuwa koi ba labuwa ne. Gaskiya wanga aiki tun da na fara shi dai ina wajen shekara goma tun da wurin babana ne ina zaune yana aiki ina koyo kadan kadan shi ne ya zama min kamar jiki ne in ma ban yi shi ba ma ban jin da kin region kin Niger duk ina yawa ta daidai gwargwado inda da koi artisan na zo yamai na zo zandar maradi irin su burkina nigeria duk wannan aikin ne kai ne wannan sana'a gaskiya ban yi lokal ba nan ne dai abun ya zo ba daidai ba. Gwaiwai ne wa dai a gona nagdu sandayya wa nuwan bini hina janga damo jinai kin do kayan si ni zalla bora kulan da sai dai mamudu gona gice cikin gonda kai bi na farhandi matsala dai bangaren kayan aiki da jari wani bi saboda wani bi kana aiki sai ka tai gida kamun ka dawo jarin ka yayi kasa kamun ka farfado kuma abubuwa da yawa sun kubce ma wasu kwastomomin naka baka koma ganin su tunda sun canza wurare da yawa to kiliyan gaskiya suna yabawa umar dai ke rafo anai boroi o a himgiteno digi don bora kulse a yegi filin mo ko en kan bonno kan ginga goyo beran di halman timoso ya din nuwa a wana da ino bai da matsala muhammad wurin aiki ko guda kamar shi aiki ma yana da wani bi in ka bashi aiki ya baka lokaci sha Allah duk yanda za a yi ka lokaci aikin ka ka shi ya shi duka yana iya yi shi da kyau za a yi shi muhammad a ciyan waga inga wani ginaiwo iga dai borai bai hamai hamai carga amma dai hunkuno kai dai kai shi ba gumo Merci Habibou Garba pour ce beau portrait. Chers auditeurs, nous allons boucler notre playlist avec le titre Copto de Abdul Salam. Bon appétit et dédicace à tous les majors de Copto. gateo zarmai ne ga su dono indai na te ye ta ai mo ai ne di biganda ni zarma da di biganda ma ta bai gando ni zarma da di biganda ma je ta bai gando matan kare di moro isa matan banga di moro isa matan zanwe bor di moro hamita ya di no zarma di moro bundu bundu hagawa Ula agawa ubai hagawa na na ɗauki hanya kuma hanya ta maganda garbai ya kulsin da kwamto daga wani dan baza barme ana ce mai kudize zai na te mai hai kudi zai garbai ya kulsin da kwamto a nai duba gara ga kano nai duba gara ga kano na duba gara no ga kano na jo kulsin da kwamto a nai sai damu ga kano nai sai damu ga kano Dame ganala, y da por me divica. Dame bugano, malay do bugano. Dame ganala, y da por me divica. Dame bugano, malay do bugano. Anapulu kaiga higi. Anapulu kaiga higi. Darmaide neiga higi. Kamayo mati kadida, wala kamayo antipati. inaite tuginoro ai minoru bagara moto hinza undu bundu moto hinza igadege ga tu hinza imaka sum imawa imahanna ga yeta hinza imaka sum imawa imahanna ga yeta hinza darmai galala isa porun da diviga darmai wagano balai dogo ga darmai galala isa porun da diviga mallai zan gogado ai baba na zarmawa ai mo balle kai na nan di zarmai ai kai yanno mai ai ba ga yanno e ai gi to nya daino dine karmo i hawo zama kai ti ha ma bakko akurin ya hanna daino aga zano ga hampa ihin ka kor maka A aga zano ga hampa ihin ka kor maka hmm? mai ga nana இத போருங்க ஜீவிக்கு காய் தர்மைக்கு நானா பல்லை நோக்கோங்க கொலை தர்மைக்கு நானா இத போருங்க ஜீவிக்கு தர்மை உக்கானு பல்லை நோக்கோங்க கொலை கொலை கொலை கொலை ததா பரமாபா auditeurs, j'espère que vous avez aimé cette chanson de Salam avec le titre Kobtouf. Salamatouf, dans notre chronique Lotu d'aujourd'hui, nous évoquons les sujets de la dot. Et oui, la dot est une somme que le prétendant candidat pour le mariage apporte chez sa dulcinée, sa future épouse. Aujourd'hui, certaines familles en ont fait leur fonds de commerce et exigent beaucoup du futur marié. Pour plus de détails, écoutons les lotis présentés par Semira Rouafi et Rekia Arimi. Affairage, affairage, affairage, affairage. Certains ont vraiment une chance comme pas possible. Vraiment, eux, ils sont très chanceux dans leur vie. Et nous, on a fait quoi à Dieu On dirait que c'est les enfants préférés de Dieu. Et eh, ma chérie, tu parles seule maintenant Hé, eh, est-ce que j'ai le choix Je reviens de chez à Salma. Sa fille a été dotée de 20 millions de francs CFA. Ah, allah une bonne nouvelle. Que Dieu mette sa baraka dans cette union. Amen, amen Inch'Allah, ma fille aussi, je ferai tout pour qu'elle épouse un riche qui va apporter 30 millions comme dot ou plus même. Hey, ma chérie, il faut avoir peur de Dieu. Hein. C'est lui qui détermine la personne avec qui on sera. Et si elle rencontre un homme de classe modeste, tu vas lui empêcher d'être heureuse On est heureux quand on est riche, ok Un homme de brouillard, à part le malheur, elle n'aura aucun bonheur avec lui. Ah, il ne dit pas ça, toi aussi toi qui parles, le père de tes enfants n'est pas riche. Il est de classe moyenne. Et Dieu merci, tu ne manques de rien. Tes enfants non plus. Hé, hey, Lantana, je manque de tout. Mes amis roulent dans des grosses voitures et changent les bazins riches comme des pagnes. Moi, je suis là à marcher au soleil. Je ne veux pas de ça pour ma fille, vraiment. Maintenant, supposons que tu lui trouves un mari riche et s'il la maltraite, ne fait pas son bonheur. Et de nos jours, il y a des riches qui ne dépensent pour les femmes que quand ils sortent avec elles. Et si tel est le cas pour celui que tu trouveras, tu pourras supporter les larmes de ta fille Sinon, je lui souhaite d'avoir celui qui fera son bonheur et lui offrira tout ce qui t'a manqué. Mais cet homme peut être pauvre aussi. Hmm. En tout cas, vaut mieux pleurer à Dubaï qu'au village de Si je savais. Ce n'est pas une question de hmm. pense-y. C'est tout ce que je peux te dire. D'ailleurs, regarde l'exemple de la fille du chef de quartier qui a épousé un riche héritier juste pour les m'as-tu vu. Il l'a battu et après, il l'a répudié. Tu vois ce que l'argent peut aussi faire, non Il y a même certains qui assassinent leur épouse. Assassine Subhanallah, je ne souhaite pas ça pour ma fille, hein, ni à personne d'ailleurs. Donc laisse la rencontrer quelqu'un de son choix, qu'elle apprenne à le connaître et décide d'elle-même de l'épouser, qu'il soit riche ou pauvre. Hmm. je crois bien que tu as raison vraiment. Heureusement que j'ai une amie comme toi. Merci beaucoup ma copine. <laughs> je t'en prie, c'est tout naturel. là les lotis. suivant maintenant Maman Ada pour la culture linguistique. Bonjour Ada. Bonjour euh, Habiba, bonjour Salamatou. Et le mot du jour est et concertation. Concertation veut dire c'est un échange d'idées, d'avis entre plusieurs personnes de manière à s'entendre sur une attitude commune, un projet commun. C'est l'action qui consiste à faire des consultations avant de prendre une décision sur un projet à réaliser. cette concertation se fait entre les parties concernées. La concertation n'aboutit pas obligatoirement à une décision, mais vise à, la préparer. Il s'agit d'une rencontre où seuls les avis des uns et des autres sont demandés. On peut alors dire que l'objectif de la concertation est pour des acteurs individuels ou collectifs de trouver un accord, de résoudre ensemble un problème qui se pose à eux, de prendre ensemble une décision collective ou de préparer une décision prise en finale à, une autre, à un autre niveau. Il est à noter que la concertation se distingue de la négociation. Et en Hausa Bon, en Hausa, concertation ana cewa euh, shawara. Shawara kamar akwai wani batu ko wani abu da ake a cimma ra'ayi guda ta da mutane ko kuma wani gungun mutane lokacin nan ne za a tattauna a ga yadda za a samu matsalar shine kenan dole sai a yi shawara shine ake cewa to a tattauna a samu wata shawara da za a hidrata da wata matsala. Merci beaucoup, Maman Ada, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou en fulfulde,

alhamdulillah du he gurdam minen kadi min gori ɗum ko miɗen garanno ga ka min miijay ni amma joni alhamdulillah dina amin sobtaki miɗen keeɓa komin ñaami wallahi sidi on kala hono tati joyi on fuu min kettinake ɗum fuu no min ni ka ni hono ɗemgal amin ni haalda jaati miɗen nana fulfulde nden miɗen nana nden fuu miɗen kettino ɗum wallahi wallahi fa wooɗi wallahi ni ni min jiɗi yehire yaade yeeso ko wona pillo ɗum fof gonga ɓoloni noon wallahi gonga ni pillo hannden ka ko wona fille ɗum ni wonna waɗa du jaati ko wonna waɗa ɗum fof yiɓe jiya yiɓe pillo ɗum ko wonna waɗa ɗum ni wonna haale du hannden neɗɗo fof sitel fo mum hitema han takke fa haaɓa neɓay kibaru mo keega on warde mo hannde no o alhamdulillahi a yau da yau bon sai a sin sa kulkul kal gurgu mo toy maka ga labari keki siyo kala ngo wane newa har ka su kwarora dai man ta hinmo dai kai ha iwa manda mer ka gor kan ngani se za za za za gurgu di da buno ayo ayo ay do boy gin gani da mai gama labar kan gote dunya ra din zalla bora si gere kan ay go ga hangan i dunya fahamai wone lalle moy gi hangan gumu zama rayo hin ko bonur rugu do ne wo chota ngani birni ikul mono irga duwai martan ne a himan da kan hau hakul kulsira irga ba digi hinga salan dir ir bo da harkar sa yo kuminetoro imaka imma dan irmo irma hangan kangana har kasu komino mo imbe kan igo ci do kalangu sigirera irga sabi se mo imo kokari irse igo gir famandi igo gir no idunya bayre irgo gi hangan wati kulu wati kul di era to kal bore min ngay murada wika gor kangani <laughs> wallahi har kana sur gudu halmanti moso dina dan irbo akul gutunu ko kangan no dabo go gara jahanga iga ne albo guno gote ima ne wala ra kalangu nir go hangana bon fera se nir kaka margu nir go ge agogi no fahamaino auditeurs, vous écoutez Aïr Ténéré du groupe Soga et sur ce son, nous terminons notre émission d'aujourd'hui, les Niger sur Kalongo. Vous êtes en compagnie de Salamatou Kadri et Habiba Ahmed. Le rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Ne manquez pas notre édition à partir de 17h suivie du forum Espace Femmes sur les zones de nos radios partenaires. Excellente, journée, à vous. vous. Bye bye. Bye bye.